Aujourd'hui, nous allons commencer la distribution des cartes d'électeurs pour les élections prochaines. Sur la liste, nous avons à peu près 4 933 personnes qui devraient retirer leur carte d'électeur ici. Cette distribution des cartes d'électeurs devrait se passer en principe en présence des représentants de tous les partis politiques. Mais dès que nous enregistrons la présence d'un ou trois représentants de ces partis, nous pouvons commencer puisque le communiqué est passé depuis avant-hier. Pour les cas de ceux qui ont perdu leur récépissé, nous allons demander la conduite à tenir auprès de nos supérieurs hiérarchiques. Normalement, il existe d'autres conditions pour le retrait des cartes, mais nous n'avons reçu aucune notification par rapport à cela. Ce qui nous a été dit, c'est que quand la personne présente son récépissé normalement, elle peut retirer sa carte de lecteur.